le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h15 minutes. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés à Niamey sur l'Alternative FM 99.4 et en Fanny FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningaure, Chirozirine, Magaria, Menesoroa, Tamaske, Bouza, Dolbel et Saï. C'est toujours le bilan de l'année 2016 qui continue. Nous nous intéressons aujourd'hui à un thème objet de beaucoup de polémiques. Il s'agit de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, c'est semble-t-il le, talon d'Achille des gouvernants tant il est difficile de sévir contre les corrompus et les corrupteurs. Le Niger ne fait pas exception parce que la corruption est encore une réalité. Le président de la République, Mohamed Issoufou, a promis dans presque toutes ses interventions qu'il va sévir contre les corrompus et les corrupteurs, contre ceux qui favorisent la mauvaise gouvernance. Quelques illustrations de cet engagement, la mise en place depuis son arrivée au pouvoir de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Alcia, ou encore la ligne verte. En début de cette année, c'est l'opération Meboulala ou la chicotte qui était sur toutes les lèvres. Malgré tout cela, il est clair que le combat contre la corruption est loin d'être gagné. Les scandales au titre de 2016 sont nombreux. Les fraudes au concours d'entrée à la fonction publique, dont certains ont été annulés. Les scandales financiers, comme la cellule crise alimentaire, tous les présumés coupables sont actuellement en détention. On peut aussi ajouter tout récemment l'affaire de la Soraz. Qu'est-ce que c'est que la corruption Comment le régime s'est-il débattu cette année pour la freiner ou à défaut de l'éradiquer, à défaut de l'éradiquer complètement À quoi a servi la Halcia À quoi a servi la ligne verte Pour en débattre, dans ce studio, nous avons à ma droite, j'ai à ma droite euh, M. Maman Wada euh, de l'Association nigérienne de lutte contre la corruption au Niger, ANLC, ANLC, qui est aussi une section de transparence internationale. M. Wada, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venu. Bonne année à vous. Et à, ma gauche, euh, j'ai M. Idi Abdou, administrateur de la ligne verte. Bonsoir Idi. Et merci d'être venu. Et si la ligne est bonne, nous aurons en ligne le vice-président de la Halcia, M. Salissou Obandoma, qui a bien voulu nous accompagner. Bonsoir, Monsieur le vice-président. Bonsoir, monsieur. Merci d'être en ligne et bonne année à vous. Bonne année et je profite pour saluer tes, deux invités là qui sont à côté. Merci beaucoup. Donc vous allez être avec nous tout au long des 45 minutes. Encore une fois, merci. Voilà, pour planter le décor, je pense qu'il faut d'abord euh, se donner une idée de ce que c'est que la corruption, une idée de la bonne gouvernance. Et là, je veux commencer par euh, l'administrateur de la ligne verte qui va d'abord nous présenter la ligne verte et puis nous donner la définition, son entendement de cette notion de corruption, de mauvaise gouvernance. Et voilà. Monsieur Idi Abdou, euh, l'administrateur. Oui. Je vous remercie. en fait, la ligne verte, vous savez, la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, euh, le monde a réalisé que, effectivement, si on ne prend garde, la corruption risque de tout détruire. Elle risque de détruire l'état de droit. Elle risque de détruire la démocratie. Elle risque même, en fait, de saper l'économie de nos États. Parce qu'à travers le canal de la corruption, des groupes organisés criminels prendront en fait en otage le monde entier. C'est ça qui a conduit euh, les Nations Unies à adopter cette convention-là qui a été mise euh, en vigueur en 2005 et notre pays l'a ratifiée en 2008 et son article 11 dit que chaque État parti doit prendre des dispositions pour renforcer l'intégrité des corps de poursuite, c'est-à-dire les magistrats et d'autres corps de poursuite. C'est dans ce sens-là. En fait, la ligne verte, c'est une internalisation de cet article-là de la Convention des Nations Unies. Ce sont les magistrats qui sont visés Ce n'est pas les magistrats, c'est tous les acteurs de l'appareil judiciaire. Les magistrats sont visés, les avocats sont visés, les notaires sont visés, les huissiers sont visés. Le bureau est composé conformément à l'esprit de la Convention des Nations Unies, l'administration, le privé, la société civile. C'est une structure, on peut dire, de, de l'État C'est une structure sous tutelle du ministère de la Justice qui, en réalité, de par l'arrêt qu'il a créé, est une structure vraiment autonome qui ne décide que pour elle-même. Parce que c'était 12 membres. Vous avez des magistrats, vous avez des notaires, vous avez des avocats, vous avez des juges, vous avez des acteurs de la justice Et, tous ces acteurs ont compris euh, la nécessité d'accompagner ou bien de se faire représenter. Ici, ce n'était pas une question d'accompagner qui que ce soit, c'est une affaire de lutte contre la corruption. Ah, donc, la, mission de la ligne verte. Elle est là et dans toute sa composante. Elle est là dans toute sa composante. Bon, vous avez suivi une péripétie. Je ne reviens pas euh, où les magistrats se sont retirés. Euh, et, bon, pas tous les magistrats, le Saman, parce qu'il y a deux syndicats de magistrats. Un syndicat, le Saman, s'est retiré. Et après, ils ont entraîné les notaires et le barreau. Vous êtes pénalisé actuellement Non, on n'est pas pénalisé. Parce qu'actuellement, vous avez quatre magistrats dans la ligne verte. Le coordonnateur même de la ligne verte, ce n'est pas moi, c'est l'inspecteur général des services judiciaires. C'est le plus même. Oui, c'est actuellement, c'est l'inspecteur général des services judiciaires qui est à la fois coordonnateur de la ligne verte. Donc, les magistrats sont là et vous avez au moins quatre magistrats de la ligne verte. vous avez un représentant. oui, on verra tout au long du débat qu'est-ce que la ligne verte a apporté comme contribution dans la lutte contre la corruption. Je vais permettre au vice-président de la Halcia de nous donner une petite présentation de la Halcia. Monsieur le Président. Merci. Je donc réitère euh, euh, mes voeux donc de bonne année parce que mes deux camarades là qui sont devant toi, je les ai pas vus depuis l'année passée. D'accord. Donc euh, je profite pour les souhaiter bonne année. Bonne année aussi à la radio Kalangou. Et surtout bon vent. Ok. Donc euh, l'Arcia aujourd'hui, je ne sais pas comment vous la présentez, mais n'est plus à présenter parce que peut-être que le coût de RSA était plus grand que RSA elle-même. Mais comme Idi l'a dit, hein, le Niger a ratifié aux différents instruments juridiques internationaux, euh, internationaux comme donc vous le savez, ces instruments comportent pour les États signataires des prescriptions obligatoires des prescriptions facultatives et des recommandations. Au titre des prescriptions obligatoires, figure donc la mise en place d'un ou de plusieurs organes spécialisés dans la prévention et la lutte contre la, contre la corruption. Et le Niger, donc, y a souscrit à travers la création de la HALCIA. Il s'agit d'une autorité euh, donc euh, rattachée à la présidence de la République. Elle regroupe des représentants euh, des, des, de la partie étatique, des représentants de la société civile et des, représentants du secteur privé. Ils sont nommés par décret du président de la République. Peut-on dire que c'est une directive de, des instances internationales Bon, je ne sais pas si vous allez l'appeler directive, mais c'est pour satisfaire en tout cas euh, euh, aux prescriptions obligatoire de la Convention des Nations Unies. je ne sais pas, euh, moi je ne peux pas l'appeler directive, parce que directive, ça sous-entend que euh, ça vous a été dicté d'ailleurs. Non, mais c'est quand vous ratifiez une, euh, un instrument, vous participez donc aussi à respecter ces prescriptions. C'est pourquoi donc au titre des prescriptions obligatoires, c'est la mise en place donc d'un organe figure. Et on s'assoit donc à cette euh, obligation. Et vous, vous ne souffrez pas de démission ou bien de, à, l'image un peu de la ligne verte Tout le monde est représenté <laughs> La ligne verte ne souffre de quelle, de quelle démission C'est des gens qui sont venus pour travailler, qui ont senti euh, que qui c'est nécessaire, qui, enfin, c'est pas nécessaire leur présence, ils sont partis, mais la, la, la ligne verte continue à travailler, continue à fonctionner même sans, sans, ceux qui sont partis. Donc euh, ça ne souffre de rien, puisque ça, à aucun moment ça n'a arrêté le fonctionnement de, la structure. Nous aussi, au niveau de RCA nous ne pensons pas que nous souffrons en tout cas du départ de, quelqu'un. Personne n'est responsable. L'important est que euh, le travail fonctionne normalement. D'accord. Merci pour cette présentation. On va revenir au studio pour euh, écouter M. Mamoun Wada qui, euh, dans son association existe, même si c'est la société civile, bien avant ces deux structures qui ont été un peu euh, détaillées. Monsieur Mamoun euh, qu'est-ce qui caractérise l'ANC, l'association nigérienne de lutte contre la corruption Bien, donc avant de parler de l'ANC, je vais quand même parler de la corruption. La définition. Oui, voilà. le problème de la corruption, c'est même sa définition. Oui. C'est ça, parce que tant qu'on ne maîtrise pas le concept, on ne peut pas maîtriser son contenu. Dans les faits, on ne peut pas identifier la corruption des autres pratiques. Donc, euh, et la définition est, je dirais, elle est, multiple. La première, c'est celle du Code pénal, qui considère la corruption comme le fait de recevoir euh, des promesses, des dons, n'est-ce pas, pour ne pas appliquer la loi ou pour l'appliquer autrement, pour contourner la loi. Et, Donc ça, ça peut et, là, ça s'applique à, tout le monde. À tout agent public, n'est-ce pas À tout agent public et aux élus. Donc le code pénal ramène la corruption euh, en réalité à la pratique des pots de vin. Et c'est pour ça qu'il fait la distinction entre la corruption et la richesse, et chose, et le trafic d'influence. C'est dans le même chapitre, mais en tout cas, il y a une différence entre euh, la corruption et le trafic d'influence. Évidemment, dans le même code pénal, on punit les corrupteurs et les corrompus à l'article 132. La définition du code pénal se trouve à l'article 130. Maintenant, au niveau des conventions internationales, notamment la Convention des Nations Unies, la Convention de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption, et au niveau de transparence internationale, parce que nous avons aussi des, des documents de base qu'on appelle le Source Book, eh bien, nous définissons la corruption comme l'abus d'un pouvoir reçu en délégation à des fins personnelles. C'est-à-dire, la communauté vous responsabilise, la loi vous responsabilise, eh bien, vous utilisez, vous utilisez cette responsabilité publique dans votre intérêt pour vous enrichir, pour enrichir votre famille et, vos parents. Et c'est cela, la, la, corruption. Ce qui fait que, quand vous prenez cette définition qui est beaucoup plus large, elle intègre toutes les pratiques, n'est-ce pas, qui consistent à à, contourner la loi pour s'enrichir, à, abuser de la fonction qu'on occupe, qui est une fonction publique, n'est-ce pas, pour euh, des intérêts personnels. C'est là où on trouve, les, outre la pratique des pots de vin, le trafic d'influence, on trouve l'enrichissement illicite, le blanchiment et, d'autres pratiques. Toutes les pratiques euh, qui sont liées à, la corruption, évidemment, elles sont définies dans cette définition que donne Transparence internationale mhm. à travers le sourcebook. Oui. Évidemment, il y a des conventions comme la Convention de l'Union africaine qui prennent euh, soin de, de distinguer. On, va ensemble, on dit corruption et infraction assimilée. vous c'est pour dire que c'est apparenté, c'est la même famille et donc euh, les dégâts sont les mêmes. Ça provoque euh, le détournement de, de l'esprit du travailleur, ça provoque le pourrissement de l'argent public, n'est-ce pas Et il n'y a rien à faire. Les services euh, publics ne seront pas de qualité. Il y aura la discrimination, il y aura le favoritisme, il y aura et, le Des ressources seront utilisées à d'autres fins. Il y aura sous-développement, c'est tous pays qui pauvreté, etc. C'est tous les pays qui en finalement. Maintenant, euh, s'agissant de l'association nigérienne de lutte contre la corruption, section de transparence internationale, elle a été créée en 2001, le 2 février 2001. En tout cas, c'est ce qui est sur notre arrêté de reconnaissance. Et depuis, depuis notre création, eh, nous avons mené beaucoup d'activités. Et nous avons fait des études, c'est ça notre spécialité d'ailleurs, beaucoup d'études dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le financement des partis politiques, dans l'accès aux services et aux emplois publics, dans l'aide humanitaire, l'état de la corruption au Niger. Nous avons mené un certain nombre de projets et ensemble avec euh, des pays, puisque nous sommes dans le mouvement TI qui a 100 sections dans le monde c'est par exemple Africa Education Watch. Et nous avons un centre, le Centre d'assistance juridique et d'action citoyenne, où nous recevons des plaintes des citoyens victimes ou témoins de corruption. Évidemment, ce centre, à ce jour, euh, date de, septembre 2010. Euh, de, 2010 à aujourd'hui, le centre a reçu 868 plaintes des citoyens, des citoyens. toutes les régions du Niger. <coughs> Ça veut dire que vous avez une idée générale de ce que c'est que la corruption au Niger Oui, absolument. C'est une réalité Oui, la corruption existe, euh, la petite corruption, la corruption moine, la grande corruption sur toute l'étendue du territoire. Et même, on peut faire la géographie de la corruption sur le territoire national. Mais quelle est la géographie rapidement ben, C'est pour dire qu'il y a des zones où il y a plus de faux diplômes que d'autres. Par exemple, la Shahada, vous prenez la Shahada. La Shahada, c'est un diplôme qu'on donne euh, dans les, écoles, euh, je dirais, d'obédience euh, arabisante, n'est-ce pas Bon, la shahada, vous la retrouvez plus dans la région de Zander, de Maradi, d'Agadez et maintenant de plus en plus Tawa, Niamey, etc. Donc la pratique des faux diplômes, c'est une pratique nationale, mais il y a des, zones où il y a plus de pratiques. C'est un exemple parmi tant d'autres. On va, donner la parole à. On va rejoindre M. Oubandouma qui, qui représente la Halsia. Alors, pour la Halcia, comment, comment est-ce que vous caricaturez, entre guillemets, la, corruption, par exemple au Niger, puisque votre mission, est euh, lutter contre la corruption, lutter contre les infractions assimilées Vous savez, euh, comme euh, Wadal l'a dit, c'est difficile de donner une définition complète de, la corruption. toujours est-il que nous faisons référence euh, euh, à, des, à, des, définitions du code pénal qu'il a donné tout à l'heure. Euh, il y a aussi la définition de certains écrivains comme Tambou, qui dit que la corruption est un abus du pouvoir public en vue d'obtenir un profit privé. Mais c'est surtout donc la définition de transparence internationale qui est le plus retenue, qui définit la corruption comme étant l'abus d'un pouvoir délégué à des fins privées cette définition s'étend à d'autres infractions euh, dites assimilées telles qu'il a rappelé le recensement illicite, le détournement de fonds publics, le blanchiment de l'argent. Donc voilà en fait euh, un peu les références que nous avons. Il y a évidemment la, définition euh, que, la Convention des Nations Unies a donnée, mais tout en tout cas s'approche à dire que c'est un acte où la pression forcée sur quelqu'un pour le faire agir malheureusement en échange d'argent ou de cadeaux. Donc, c'est toujours dans ce sens-là que vous avez euh, ces genres de définitions qui s'approchent et qui se complètent, qui veut dire la même chose. Mais il n'y a pas une définition statique en dehors de celle de, du dictionnaire qui dit que c'est l'altération de la substance par décomposition, hmm. rupture, putréfaction, prévention, etc. Donc, toutes les définitions, comme on l'a dit, s'approchent un peu de, ce qu'on entend. Alors, votre mission, c'est justement de, lutter contre cette corruption et, les infractions assimilées. Ah, alors, M. Wada a confirmé qu'au Niger, c'est une réalité. Comment vous, vous pouvez. Vous êtes d'accord avec lui Et comment ça se manifeste au Niger mais, mais, mais, évidemment, évidemment, la corruption, tout le monde la ressent. Même vous, vous la ressentez, vous n'êtes pas corrompu, euh, vous n'êtes pas corrupteur, mais vous subissez quand même euh, les, aléas. Parce qu'aujourd'hui, euh, si certaines, euh, certains ménages n'arrivent pas à, garantir les trois, les, trois repas journaliers ou ne, peuvent pas garantir la santé de leurs petits enfants à l'hôpital ou à, des un de santé, c'est en, grande partie, c'est parce que euh, quelque part, il y a un malaise. Et ce malaise-là, ça ne peut être que de l'argent qui est détourné à d'autres fins. Et, mais beaucoup en souffrent, sans être corrompus ou corrupteurs, et vous en souffrez dans votre chair. imaginez, euh, euh, euh, quand tu prends le seul exemple de, la santé, là où c'est pernicieux, des produits qui sont alloués pour acheter un appareil qui doit servir à, la santé de tout le monde, quelqu'un de tout cet argent-là, vous voyez combien de personnes peuvent être appelées à mourir rien que cause de cet acte-là seulement. Donc, beaucoup de gens vivent ça sans être acteurs. Euh, de, de, de, cette, de, ce phénomène-là. C'est Et cela fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier que la corruption euh, n'existe pas. Pas seulement dans les pays pauvres, mais même dans les pays aujourd'hui les plus développés. C'est vrai que c'est à des échelles différentes, mais on la sent, elle est pratiquée un peu partout. Mais c'est toujours pernicieux pour les pays pauvres comme, comme le Niger. Comme le Niger. C'est pourquoi c'est. Euh, on les, le plus. Merci pour ces précisions. Euh, monsieur vous qui êtes administrateur de la ligne verte, apparemment, vous êtes beaucoup plus, votre mission, c'est beaucoup plus les magistrats, les hommes, les auxiliaires de justice. Je ne veux pas vous demander l'ampleur, mais pourquoi justement mettre l'accent sur euh, la justice Parce qu'en fait, c'est même la convention et le magistrat est incontournable dans la lutte contre la corruption. Vous, moi, quelle arme on a De par la loi, il n'y a que le magistrat qui peut réprimer. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Donc, tu ne peux pas réussir la lutte contre la corruption si tu as un appareil judiciaire corrompu. Ce n'est pas possible. Si vous avez un appareil judiciaire intègre, c'est impréalable, L'intégrité des magistrats et des corpus, c'est impréalable pour lutter contre la corruption valablement. Parce que c'est ce corps-là qui, de par la loi, a les prérogatives de réprimer. C'est eux qui jugent. En dehors de là, personne ne juge. Hein, donc, en dehors des accords internationaux, le Niger a fait le constat qu'effectivement, au niveau de la justice, ça ne va pas. La corruption est une réalité. Mais la corruption est une réalité à travers le pays, ça c'est une réalité. Le cas de la justice, Monsieur M. Wada, M. Oubanoma ont décrit ça de façon générale. Oui. Dans la justice, c'est comme ça. Mais dans la justice même, il y a de la corruption. Il y a de la corruption dans la justice. Tu sais, la corruption, eh, c'est compliqué. Eh, Maman Wada a relevé que il y a plusieurs définitions, mais il y a une. C'est celle qui se trouve dans le code pénal. Parce que nous sommes sur un terrain de lutte contre la corruption et il faut l'outil pour réprimer la corruption. C'est en ce sens que la seule définition qui se trouve dans le code pénal, c'est la seule qui vaille. Et le problème qui se pose, la corruption n'a pas les mêmes variantes 1963 qu'en 2016. Ça évolue. Ça évolue largement. Je vous donne un exemple. On va prendre l'exemple de la justice, puisque vous travaillez avec eux. Et votre, votre mission, c'est de faire en sorte que la justice soit assainie. Mhm, mhm. Alors, donnez-nous un peu la carte, la cartographie il y a plus de magistrats corrompus euh, en, 1960, beaucoup plus que maintenant. Quelle est la variante En 1960, je ne vais pas vous donner, je ne sais pas. Oui, puisque vous avez pris cette date. Oui. oui, en fait, je parle du code pénal. Parce que notre code pénal date vous avez de des données, hein, vous avez toujours données. Et qu'il y a une définition qui maintenant doit être dépassée. Ça veut dire si maintenant on a la volonté de lutter contre la corruption, c'est qu'on doit adapter la définition de la corruption dans le code pénal au contexte actuel. Je vous donne un exemple. Un cadeau, il y en a des pays où ils suppose que le cadeau fait partie de la corruption. Je prends un exemple. Vous, vous êtes au Niger, vous avez fait au moins une quarantaine d'années. Citoyen ordinaire. Personne n'a daigné vous donner un franc. Mais quand maintenant vous êtes au pouvoir, mais les gens vous font cadeau. Ce cadeau-là n'est pas fortuit. C'est clair. Ça, Ce cadeau-là n'est pas fortuit. Donc, effectivement, c'est les nuances que ça prend. On parle de corruption et infractions assimilées. Les infractions assimilées, là, en réalité, souvent, c'est les manifestations de la corruption. Bon, Parce que le problème qu'on a dans notre code, et le corrupteur et le corrompu sont, sont, sont punis par la même peine. Oui, ça a été souligné. C'est un peu compliqué de voir. Maintenant, on plate le décor sur la justice qui est quand une charpente. Oui, la justice est une charpente. Rapidement, quelles sont les données que vous avez Les données que nous avons, nous menons des missions, nous faisons des investigations et à l'heure d'aujourd'hui, nous avons plusieurs saisines du procureur parce que, à l'issue des investigations, je vous rappelle que décembre passé, là, on était sur les terrains. Nous, nous partons sur les terrains trouver les citoyens de leur hameau pour écouter leurs problèmes et après aller dans les tribunaux. Une chose qui est sûre est que hmm. on a fait au moins quatre ans en train de travailler avec les magistrats du Sama. Mais après quatre ans, ils se sont retirés. Ça veut dire que déjà la ligne verte fait un travail. C'est vrai, on ne fait pas beaucoup de bruit. Mm. Mais on fait un travail et nous avons des saisies. Et le texte qui crée la ligne verte nous dit directement de saisir le parquet. Mais concrètement, qu'est-ce que les citoyens disent de la, des, magistrats, des auxiliaires de justice nous, on ne parle pas de ce que les citoyens disent, mais on parle de ce que nos investigations ont. Oui, bien sûr, mais vous le faites en relation avec les citoyens. Oui, oui, mais évidemment, c'est les citoyens qui nous saisissent et on va en investiguer. Si on a trouvé des indices, après investigation, nous saisissons le procureur pour dire que à tel endroit ou telle juridiction ou tel juge ou telle chaîne judiciaire, voilà les actes qu'elle a posés. Nous partons dans les villages les plus reculés. Donnez-nous juste quelques données. Euh, et puis on Lesquelles vous voulez euh, Qu'est-ce que les citoyens disent et, qu'est-ce que vos investigations ont donné comme résultat et qui puisse permettre de dire que la, justice est corrompue à tel niveau, mais à tel autre. Non, on ne peut pas quantifier le degré de la corruption de, la justice. Nous, nous sommes saisis, nous ne nous auto-saisissons pas. Les citoyens qui nous saisissent, nous partons sur les terrains. Quand je vous parle des saisines, on a une trentaine de saisines du procureur de la République. Au bout de quatre ans. Ça veut dire, oui. Ça veut dire, quand on parle de saisine, ça veut dire, à l'issue des investigations, c'est que les citoyens ont raison. Et par rapport au fait qu'on a collecté, et on a transmis ça au procureur de la République. 30 saisines, c'est assez suffisant. 30 mais pas des individus. Oui, bien Souvent, c'est la chaîne judiciaire. D'accord. Merci pour ces précisions. On va revenir sur ces... Mais, alors, M. Wada, euh, je sais qu'en début d'année, en tant qu'association, vous avez été reçu par le président de la République, justement, sur la lutte contre la corruption. Qu'est-ce qu'il vous a dit Qu'est-ce qu'il vous a dit aujourd'hui Qu'est-ce que vous retenez finalement je dois préciser que la lutte contre la corruption suppose euh, deux dimensions. Il y a une dimension politique et une dimension technique. Si vous n'avez pas la technicité, si vous ne maîtrisez pas les démarches, n'est-ce pas, qu'exige la lutte contre la corruption, vous allez passer à côté. Ce n'est pas du sensationnel, ce n'est pas de, la simple accusation du reste. Hein. Les citoyens sont protégés contre les fausses accusations. C'est des dénonciations calomnieuses, c'est une infraction pénale. Donc, il y a une démarche que vous connaissez très bien. Hein. D'ailleurs, très souvent, nous, on fait appel euh, aux, compétences des journalistes euh, dans le domaine de l'investigation. Donc, il faut être euh, un spécialiste d'investigation pour atteindre, n'est-ce pas, les, traces de la corruption. Ce n'est pas si facile que ça. Et deuxièmement, s'il n'y a pas de volonté politique, on ne peut pas lutter contre la corruption. C'est évident. Il faut que ceux qui prennent les décisions s'engagent. Ceux qui, euh, changent les qui font changer les textes s'engagent pour que la loi soit adaptée, n'est-ce pas, au contexte de la lutte contre la corruption. D'ailleurs, le juge ne fait pas la loi, on lui remet la loi. c'est dans hein? ce cadre que vous avez été reçu en hein, début d'année Oui, quand nous avons été reçus. Euh, par le président de la euh, République. Par le président de la République, il a dit qu'il est engagé à lutter contre la corruption il rappelle ce qu'il a dit dans son discours d'investiture, qu'il est engagé à lutter eh, eh, contre la corruption, de manière à ce que, après lui, que le pays soit gérable. Il veut laisser un pays gérable. Deuxièmement, il veut laisser eh, assez de ressources pour les citoyens, parce que les ressources doivent revenir aux citoyens. Et le troisième élément dit qu'il veut laisser une image d'hommes qui a lutté contre la corruption, qui a voulu que le Niger soit un pays gouvernable. Hmm. Alors, quelques mois après, oui. Bien, quelques, mois, après. c'est la réalité encore. Oui, vous, savez, vous savez eh, on ne peut pas lutter contre la corruption si on a l'opposition de l'État. Si l'État est opposé, hmm. ça ne peut pas marcher. Il faut que l'État soit ouvert à la lutte contre la corruption. Il faut que les autorités soient ouvertes à la lutte contre la corruption. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est que les lignes bougent. Et, effectivement, le fait qu'il vous, a, vous a affirmé cela, ah oui. déjà, les lignes ont bougé. Ah non, c'est important. on va revenir sur C'est important. Avec, avec, des actions plus concrètes. Euh, on va rejoindre M. Oubandoma, qui est le vice-président de la Halcia, qui, nous écoute en ligne. Monsieur M. Oubandoma, vous avez été aussi reçu. Vous avez eu toutes les garanties avec le président de la République. Et qu'est-ce qui le prouve Euh, oui, oui, en, réalité, celui qui vient de se parler là, il était acteur puisqu'il a été reçu par le président. Mais moi, je, voulais juste revenir sur les activités que nous avons, sur lesquelles nous sommes beaucoup concentrés au niveau de l'ASIA. Euh, euh, justement, je suis d'accord avec lui quand il parlait de volonté politique. Il faut vraiment une volonté politique à afficher une lutter contre la corruption. C'est vrai qu'il faut technique, mais aussi il faut cette volonté-là. Ça accompagne beaucoup. Eh, eh, bien, le, nous sommes concentrés sur deux aspects hein, sur, euh, dans la lutte contre la corruption au niveau de la RSA. C'était le rétablissement du monopole fiscal et la recherche de l'efficacité de la dépense publique. C'est surtout cela parce que c'était des concepts qui sont forts, en tout cas qui sont euh, très chers aux président de la République. Euh, toutes les activités autour de ces deux concepts-là été conduites sur instruction du président de la République, conformément donc à la mmh. mission et à nos attributions. Sur le premier aspect, par exemple, euh, le rétablissement du monopole fiscal. Là, les, actions de la Qu'est-ce que ça veut dire le rétablissement du monopole fiscal Le rétablissement du monopole fiscal, ça veut dire suivre partout où il y a, euh, où on doit mobiliser de l'argent, faire une pression, et c'est ça qui vient d'être dit. Donc, euh, les actions, c'était constitué à exercer une pression euh, soutenu sur les sur, sur, euh, sur les, les régies financières notamment pour amener celles-ci à mobiliser les ressources financières nécessaires à l'exécution du programme de la République. Donc en relation avec la douane, avec les impôts, avec les Bien C'est des missions permanentes de contrôle des activités de recouvrement des recettes de l'État au niveau de la Direction générale de la douane, Direction générale des, des impôts et la Direction générale donc du trésor de la comptabilité pour la DGD, par exemple, il s'agit de vérifier le montant des droits de douane euh, qui sont perçus à l'occasion des importations. Euh, et alors, dans ce cas, il en est résulté, en tout cas, quand on a, quand on a fait cette émission, et on continue d'ailleurs sur cet aspect-là, il en résulté que le montant des droits était sous-évalué à raison donc de la sous-estimation euh, de la valeur réelle des produits. Parce que très souvent, très souvent les commerçants et les, opérateurs économiques euh, déclarent très mal ou en dessous donc de ce qu'ils ont, de ce qu'ils ont importé. donc, euh, nous, on a, qu'est-ce qu'on a fait On s'est appuyé sur la coopération internationale avec les services compétents des ports d'importation, par exemple celui de Cotonou, de Lomé et de Tema. Et, euh, alors, nous avons disposé des vraies valeurs des produits et des droits de douane et, c'est sur cette base-là, donc, on a pu liquider eh, ces valeurs-là. Actuellement, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Pour, au niveau de la DGI, il s'agit sur la base des de contrôle, donc le niveau de, recouvrement des impôts. C'est à partir de ces, travaux-là que nous pouvons donc vérifier, et on a vérifié, et les vérifications ont permis de relever que plusieurs opérateurs aujourd'hui reste redevable des sommes importantes au titre du, BIC, au titre de l'UETS, au titre même de la TVA. Alors, à cet égard, la HALCEA a pu soutenir la DGI afin de procéder au recouvrement des créances. Euh, je, rappelle qu'à ce niveau, plusieurs ATD ont été, ont été émis dans certains cas. Alors, en résumé, en quoi est-ce que cela a amélioré, par exemple, les, les, les recettes de l'État les recettes, au niveau donc de, tout dernièrement, je ne sais pas, vous le savez ou vous ne le savez pas, à un certain moment, le Niger a traversé une crise de, tension, euh, de trésorerie au niveau, en tout cas, des trésors. Aujourd'hui, donc, avec euh, le travail que nous avons abattu, aujourd'hui, les taux commence à se desserrer par rapport à cela mais évidemment sur les actions de on porté également sur le contrôle des opérations d'exécution des dépenses de l'État. Alors, Monsieur le Président, euh, vous semblez surtout indexer les commerçants. Ils sont les seuls acteurs Rapidement. Non, quand on commerçant, euh, c'est quand, évidemment, tu ne peux pas parler de, de ressources, de recouvrement des ressources sans parler des opérateurs, parce que ce sont eux qui font euh, la richesse. Non, ils ont été cités. Mais il n'y a, pas que ça. Moi, c'était juste un exemple qu'ils te donne. Il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs choses qui interviennent dans ce, dans, ce sens-là. Même au niveau, donc, euh, pas du cordon seulement douanier, au niveau de l'intérieur du pays, il y a beaucoup de choses qui font rentrer de l'argent dans ce pays. Et toutes ces choses-là, aujourd'hui, connaissent des pratiques politiques Et c'est pourquoi, donc, euh, la corruption, elle est très large. Si tu dois lutter contre la corruption aujourd'hui, elle a des tentacules partout, il faut aller partout, partout, partout. Euh, il n'y a pas un, domaine privilégié de la corruption. Partout, tu peux la trouver. Voilà, merci pour ces précisions. On va revenir au studio. Vous restez en ligne avec nous, avec M. Idi, qui est l'administrateur euh, de, de, la ligne verte. En quoi est-ce que, puisque c'est le terme, le chef de l'État vous a soutenu cette année, par exemple Et, comment c'est la surliste, concrètement Bien. Enfin, ce que je voudrais vous faire savoir, euh, je ne connais pas euh, un service public qui s'est prêté au jeu de sondage. En 2012, la ligne verte a fait l'objet d'un sondage où 66% des usagers de la ligne verte se sont déclarés satisfaits. Je ne connais pas une administration. Ça, c'est en 2012. Oui, c'est en 2012. Nous sommes en 2016. Et on est en 2016 et je suis sûr, c'était même notre début, ça, faisait un an. Maintenant, là, si vous faites, euh, Dieu seul sait le nombre de procédures que la ligne verte a débloquées, qui sont bloquées. Dieu seul, la ligne verte était amenée même à constituer des dossiers qui ont disparu. Où ça dans, Par quel canal on parle de la justice. Dans la procédure, le dossier a disparu d'une juridiction à une autre suite à un appel. Euh, la ligne verte avait constitué même des dossiers. Et aujourd'hui, là, chaque jour, si vous partez au niveau du combiné de la ligne verte, c'est des citoyens qui appellent. Il ne faut pas oublier, que vous êtes dans un pays où pratiquement 80% des citoyens sont illettrés. Les décisions de la, de la justice sont rendues en français combien le français tu ne peux pas lutter contre la corruption sans information. Si je vous écoute bien, vous avez le soutien du gouvernement, du président de la République. Mais en quoi C'est-à-dire qu'il ne faut pas caricaturer. Ce n'est pas une affaire du président de la République. il ne faut pas ramener ça. volonté On a besoin de la volonté politique. La volonté politique, c'est du moment de la création. Le reste, là, c'est aux gens de travailler. Ne caricaturez pas ça. C'est pour cela, en fait, on tape à côté de la lutte. Parce qu'on la ramène au gouvernement ou au président de la République. Non, la lutte contre la corruption, c'est une affaire de tous. Ah, à commencer par le président. Non, non, non, non, non, non. L'organe est créé. C'est le politique qui a créé. Il a fini. Le reste, là, il revient aux animateurs d'avoir la carapace de mener le travail pour lequel ils sont investis. Oui, alors là, je vais poser la question à, Monsieur Wada vous qui suivez quand même les structures de l'État, est-ce qu'il suffit de se dire vous avez la volonté politique et puis le reste, c'est les acteurs, les autres acteurs sur le terrain Bien, euh, euh, je dois préciser que nous sommes représentés à la ligne verte. Oui, vous êtes représentés. Ah, nous avons notre représentant là-bas qui travaille, qui nous rend compte de ce qui se passe. et j'avoue que sur le territoire national, en tout cas euh, depuis que nous sommes créés en 2001, nous n'avons jamais reçu un obstacle quelconque dans la lutte contre la corruption. Vous avez travaillé comme ça. Je dis bien, personne ne nous a dit de ne pas faire. Personne. Je dis bien personne. Que ce soit à Niamey ou dans les régions, même dans les villages. Je vais vous dire, nous avons 260 clubs, donc dans 260 communes du Niger sur 266. Nous recevons des appels tous les jours. Nous avons une ligne verte. 77-77 qui est devenu 33-33. Tous les jours, nous recevons des appels de l'intérieur du pays et même d'ici. Personne ne nous a dit ne faites pas. Maintenant, quelles sont nos limites C'est les limites en ressources. Ressources financières, ressources humaines, de qualité. Je précise encore que la lutte contre la corruption, c'est un travail euh, euh, d'engagement, mais surtout un travail de compétence. Si vous n'êtes pas compétent, si vous n'avez pas les moyens, certainement on est obligé d'indexer quelqu'un. bon, nous nous sommes ONG. Oui, mais c'est vrai que l'État ne donne pas. Eux, ils, sont, dépendent de l'État et c'est une de l'État. Vous avez les moyens, non Ils ont peut-être des problèmes de, financement. Oui, je vous pose la question. Bien. Du moment où j'étais dit que même euh, du 19 au 26 décembre là on était dans les contrées les plus reculées du Niger où personne ne pas. Avec tous les moyens que vous avez demandé. Ben, ça veut dire si on est dans ces contrées, ça veut dire qu'on a eu les moyens pour aller dans ces contrées-là. Parce que, regarde, la ligne verte, l'avantage de la ligne verte, euh, c'est une structure, c'est vrai, elle est sous tutelle du ministre de la Justice. Mm. Mais le ministre de la Justice ne sait même pas ce qu'est la ligne verte. C'est le bureau, là, qui va sur les terrains en fonction des plaintes des citoyens et investiguer il revient, il examine, il sort un rapport général. Et directement, les plaintes qui sont sérieuses à l'issue des investigations, la ligne va les transmet directement au procureur de la République. Et juste, on informe le ministre qu'on a reçu la plainte de quelqu'un qui est dans un hameau de Bilma. Et ah à l'issue des investigations, c'est sérieux, on a saisi le procureur de la République. Est-ce que les choses ont évolué par la suite Non, beaucoup de choses ont évolué. Quand nous avons commencé, si un citoyen appelle la ligne on lui dit d'aller à la justice, il dit non. Mais comment je vais aller à la justice pour qu'on m'arrête Aujourd'hui, là, dès que les citoyens appellent, on lui indique les voies à suivre, il va, il dépose la plainte et il nous envoie une copie de la plainte. D'accord. On va rejoindre le vice-président de la Halcia. Vous qui êtes une institution, les gens ont beaucoup euh, misé sur vous. Quels sont les résultats que vous avez eus cette année et qui sont très palpables. Et c'est l'occasion de conclure également, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. L'occasion de conclure, je ne pourrais pas conclure sans, parler effectivement de, tout ce que nous avons fait, parce que la lutte contre la corruption, ce n'est pas seulement la répression. Il y a le côté le plus important qui est la prévention. Et c'est dans ce sens-là où nous avons fait, en tout beaucoup, surtout dans les deux dernières années, euh, l'ARCIA a finalisé et a introduit dans le circuit d'adoption des textes le document de stratégie nationale de lutte la mhm. Pour 2016, qu'est-ce qui, vous, illustre Pour 2016, en 2016, qu'est-ce que vous pouvez nous donner quelque chose de palpable qui, puisse. Euh, en, 2016, c'est naturellement, très naturellement, euh, euh, l'aboutissement de notre projet de loi qui, a, été euh, il y a quelques deux ou trois semaines, donc euh, adopté par le Parlement. Et ça, c'est très important. Et euh, sous le du président de la République, effectivement. Vous avez plus de pouvoir maintenant. Un projet de loi a été oui, soumis, oui, a été soumis parce que la RSA avait beaucoup souffert du manque de cette loi-là. que beaucoup aujourd'hui ont décrié, parce qu'on a entendu beaucoup de critiques sur cette loi-là. et les critiques-là ont été répétées de façon très mécanique par certaines couches de la société civile et, sans, souvent se donner la peine de rentrer dans le document pour euh, le regarder de façon très, très attentionnée. Euh, on a reproché le rattachement de la RCA à la présidence. Alors, on a une chose. Ce pays-là, ça fait des années, n'a pas de loi. On l'a navigué à vue. Aujourd'hui, on a une loi. Moi, je pense que c'est une très grande avancée. Voilà, une grande avancée. Merci beaucoup pour cette conclusion. Nous n'avons pas assez de temps. Oui Juste deux secondes, s'il vous plaît. Le lien de rabassement ici, il permet juste à parler aux autres, parce que l'ancien doit parler aux autres, mais parler aux autres comment La présidence aujourd'hui porte et défend les textes de la RCA, par exemple au Conseil des ministres, puisque la RCA n'est pas membre du Conseil des ministres, il faut bien une structure qui va porter ces textes. À l'Assemblée nationale, on n'est pas membre du Parlement, il faut qu'il y ait une quelqu'un qui va prendre les textes et les défendre Merci, merci beaucoup, Monsieur le Vice-président, d'avoir participé en ligne. Merci à vous, M. Mamoun Wada. C'est malheureusement le temps est parti. Juste, vous avez deux secondes. on est vraiment pris par ah, le temps. Qu'est-ce qu'il faut prévoir en 2017, pour mieux avancer. Ok, d'accord. D'accord. Mais, mais serait intéressant quand même. on, a juste quelques secondes. Hein. D'accord. En quelques secondes, je dirais qu'il y a des obstacles à la lutte contre la corruption. Les obstacles, du point de vue administratif, c'est la nature de notre administration. Du point de vue politique, c'est la nature des régimes, les alliances. Souvent, quand quelqu'un est en situation de, corruption ou il doit répondre devant la justice, eh bien, eh, c'est son parti qui le protège. L'alliance intervient, on dit qu'on va s'en aller. Et là, c'est véritablement des obstacles sérieux hein, contre la justice. Effectivement, ce qu'il dit, je le dis autrement. Euh, le préalable pour vraiment réussir la lutte contre la corruption, c'est de combattre l'impunité. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Euh, on est à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée.